le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radio partenaires qui émettent dans les huit chefs-lieux de région du Niger. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré au fléau de faux médicaments au Niger. Dans la première partie de ce forum, nous allons faire un état de lieu sur le trafic des faux médicaments dans notre pays. Dans la seconde partie de ce forum, nous parlerons des conséquences de ces faux médicaments particulièrement sur la santé des populations. Et nous terminerons en proposant des pistes de solutions afin de réduire ce trafic néfaste pour les populations ainsi que pour l'économie nationale. Avec nous ce soir pour développer ce thème, Dr. Abaché, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Dr. Abaché, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Soumana Sekou Ibrahim, président de l'ONG volontaire de la santé contre les médicaments de la rue dénommé Bano Omazada. Euh, Soumana Sekou Ibrahim, bonsoir. Nous serons en ligne avec euh, Dr Haidara Harouna qui représente euh, le CEFAMED. Le CEFAMED, c'est le syndicat des médecins, pharmaciens, chirurgiens, et dentistes. Euh, docteur Haidara, Bonsoir. La découverte d'une version falsifiée d'un vaccin anti-méningococcine en circulation au Niger a provoqué une alerte de l'Organisation mondiale de la santé OMS le 31 mai 2017. Selon les autorités nigériennes, les investigations se poursuivent pour déterminer la provenance ainsi que la qualité des produits contrefaits introduits dans le pays. On va commencer avec vous, docteur Abachi. Vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous avec euh, ces investigations Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à nos concitoyens pour effectivement apporter quelques clarifications par rapport à la découverte de ce faux vaccin. Je dois d'abord, avant d'arriver à, cette découverte des faux vaccins, rappeler que comme mesure que nous avons toujours utilisée pour faire face euh, aux grandes épidémies de méningite, c'est la vaccination à laquelle nous avons toujours recouru. Euh, pour effectivement protéger les populations contre cette euh, maladie. Pendant cette campagne, il y a des esprits malveillants qui profitent effectivement pour euh, faire passer certaines substances, certains faux vaccins, qui si on y prend garde effectivement risqueraient d'entacher nos activités de vaccination. Alors, Dieu merci, la campagne de vaccination s'était très bien passée et ça nous a permis de contenir l'épidémie de méningite. Et c'est après la campagne euh, de vaccination euh, presque à la fin de, de l'épidémie, que nous avons été alertés par l'Organisation mondiale de la santé, qui nous a alertés comme quoi il y a un faux vaccin qui circule au Niger. Quand on a remonté euh, la chaîne, on a vite compris que effectivement l'alerte est partie de chez nous-mêmes. L'alerte est partie de chez nous grâce à la vigilance de nos compatriotes, que je dois ici, au nom du ministre de la Santé, saluer. C'est Madame Narugungu qui est la responsable de la pharmacie Assalam à qui euh, nous témoignons notre reconnaissance pour euh, cette vigilance qu'elle a euh, fait montre et qui a permis vite d'alerter l'OMS parce que quand elle, a constaté qu'il y a une anomalie dans les flacons qu'on lui avait présentés, tout de suite, elle est partie sur l'Internet, elle a, elle a, investigué, elle, est rentrée en contact directement avec les laboratoires qui étaient incriminés parce qu'ils ont mis le nom d'un laboratoire. Elle, elle est, elle est, entrée en contact avec le laboratoire pour dire qu'est-ce qui se passe. Elle a renvoyé donc euh, la photo du flacon. Et c'est en ce moment que le, laboratoire a réagi pour dire non, ça c'est euh, des vaccins falsifiés. Et immédiatement, ils ont saisi donc euh, l'OMS pour effectivement investiguer davantage. Donc c'est à ce moment que l'OMS nous a saisi Et aussitôt saisi, le ministère de la Santé publique a réagi le ministre de la Santé a fait un large communiqué de presse pour effectivement d'abord euh, donner la, vraie information, donner la situation telle qu'elle s'est présentée en ce moment et aussi de rassurer la population euh, par rapport aux mesures qui sont prises et qui sont en train d'être prises pour endiguer ce fléau. Après ce communiqué de presse, euh, légalement intervenu sur les zones nationales, sur les zones internationales, également le représentant de l'OMS également était intervenu pour vraiment apporter les informations à la population parce que on a senti une sorte de, panique, une sorte euh, de peur qui, était en train de s'installer au, sein de la population. Et c'est à juste titre parce que si effectivement les gens ont reçu le, le, faux vaccin, euh, ils ont été vaccinés avec ce faux vaccin, ça pourrait altérer leur santé, ça pouvait leur provoquer des effets secondaires. Après ce communiqué, ou parallèlement, j'allais dire, le ministre a instruit ses services d'inspection pour aller faire des investigations dans les pharmacies. Donc on a euh, fait les investigations, on a rencontré les différents responsables des pharmacies. On est allé euh, chez la, bonne dame qui nous a vraiment donné la piste et qui nous a amené aujourd'hui euh, à faire cette bonne investigation. Alors, le résultat des investigations, c'est que, effectivement, les vaccins étaient arrivés chez elle et qu'elle a refoulé. Quand elle a identifié les vaccins, elle s'est rendue compte que c'est des faux vaccins, elle n'a pas pris les vaccins. Et les détenteurs de ces vaccins bonnement, il a repris ses, vaccins, il les retourné et est reparti dans un autre pays euh, pour euh, certainement les, vendre. Le vendeur, il est venu d'un pays voisin, peut-être que je ne citerai pas. Il est reparti dans son pays avec les vaccins. L'investigation que nous, nous avons conduite nous a permis effectivement d'entrer en contact directement avec les autorités euh, du pays voisin qui ont pris la relève et qui sont en train d'investiguer en leur sein, donc au sein de leur pays. Quoique les investigations sont en train de, de se poursuivre et ça va permettre euh, à coup sûr de démanteler ce grand réseau qui est en train de s'installer en Afrique de l'Ouest. Docteur Abaché, est-ce que ces faux vaccins ont été utilisés au Niger Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas été utilisé et nous avons fait le tour d'abord des pharmacies pour voir est-ce qu'il y a eu d'autres euh, traces. Parce que dans toutes les pharmacies, dans tous les stocks, il y a des traces, des, substances qui rentrent. Et aussi dans, notre, dans nos laboratoires d'analyse, tous ceux qui entrent, comme euh, substance, si c'est rentré par voie légale, bien sûr, on a les traces. Comme vous le savez, ces, vaccins, ces faux vaccins, généralement, ils rentrent par des voies frauduleuses qui ne sont pas toujours contrôlées. Mais le système, notre système permet, s'il y a faux vaccin, tout de suite est d'identifier parce que quand on enregistre le vaccin, on enregistre le lot, on enregistre la provenance, etc., Donc ça permet tout de suite de savoir si c'est un faux vaccin ou pas. Donc euh, nous pouvons vraiment rassurer la population qu'on n'a on a à aucun moment administrer un faux vaccin lors de, sa campagne de vaccination. Donc il n'y a pas raison de, se, non, il n'y a, aucune inquiétude. Il n'y a aucune inquiétude, il n'y a pas raison de, polémiquer là-dessus. Docteur Abaché, est-ce que euh, ce nouveau scandale remet euh, sur la table le récurrent de trafic euh, et de la commercialisation des faux médicaments au Niger ou pour englober la question des médicaments de la rue Absolument, c'est la suite logique de ce grand réseau mondiale de, vente de médicaments illicites, falsifiés, de mauvaise qualité, qui a aujourd'hui envahi le monde, euh, mais dont euh, l'Afrique spécifiquement fait beaucoup plus les frais par rapport à l'Europe où ils ont quand même plus de moyens en termes de contrôle. Ce débat, il est là. rien que à la dernière euh, Assemblée mondiale de la santé de l'OMS à Genève, récemment, qui a eu lieu récemment il y a deux, trois semaines, cette question était revenue sur la table pour dire effectivement qu'il y a lieu de raviver le, dispositif qui est déjà mis en place et que ce dispositif doit aider les pays à renforcer leur système de technologie. Le système de technologie euh, au niveau des de laboratoires de contrôle, le système de technologie au niveau des douanes, donner aussi plus de moyens aux douaniers pour faire un, contrôle euh, serré afin effectivement de limiter l'importation ou l'introduction de mauvaises substances euh, dans nos pays. Et également, aider les pays à renforcer la réglementation et son application. Vraiment, c'est une question qui est revenue au niveau des instances internationales. C'est pour dire que c'est un combat qui est situé au plus haut niveau, qui est porté par euh, les autorités nationales et internationales au plus haut niveau. Docteur Abaché, à votre connaissance, d'où proviennent ces faux vaccins Comme je vous dis, ces faux vaccins n'ont pas d'origine euh, clair défini. On essaie de remonter la, la filière. Euh, effectivement, on, voit que c'est diffus. C'est diffus euh, à travers le monde. Euh, n'importe qui peut se mettre dans, son coin et produire des choses. Donc, il n'y a pas une provenance claire pour dire c'est tel pays ou telle autre région qui produit les faux vaccins. Non, c'est vraiment diffus. Rien ne nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas dans un village ou dans un coin quelqu'un en train d'imaginer comment est-ce qu'il peut lui-même fabriquer ses propres produits. Docteur Abachion, est-ce que ces scandales à répétition dans le secteur de la santé procèdent de l'intention du ministre actuel de la Santé publique d'assainir le secteur de la santé Ah oui, je crois que vous conviendrez avec nous qu'aujourd'hui, le ministre est en train d'entreprendre des actions très très vigoureuses pour ramener de l'ordre dans le système. Donc, entre autres actions, effectivement, c'est par rapport à ces produits euh, falsifiés, de mauvaise qualité qui circulent. Et pour cela, il y a fait des investigations, des inspections, non seulement dans les pharmacies, et cela est même arrivé à procéder à la fermeture de certains dépôts qu'on a constatés qui sont illégalement installés, qui sont illégalement répartis euh, à l'intérieur du pays. Il a entrepris un certain nombre d'actions que je pense que si nous maintenons le cap, ça va mettre de l'ordre dans notre système de santé à travers euh, les investigations, les, inspections des, des, cliniques, les investigations des cabinets de soins, les investigations des pharmacies, les investigations des autres dépôts illégalement installés, euh, ça permettra d'assainir notre système et de protéger la population pour euh, éviter effectivement qu'elle soit exposée à ces produits qui sont nocifs euh, pour sa santé. Docteur Haïdra Harouna, le Niger, on le sait depuis des décennies, le commerce de médicaments de la rue est très florissant. Qu'est-ce qui explique ce phénomène Là, vraiment, c'est un commerce qui est très florissant au Niger. C'est dit tout simplement, au fait, que d'abord, les gens ne sont pas sensibilisés peut-être pas trop sur l'effet des médicaments de la rue. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la population également n'est pas sensibilisée sur comment se procurer les produits alors on est toujours le bon produit. Voilà les, les, faits qui font en sorte qu'il y a vraiment beaucoup de médicaments de y bien la vente de médicaments de riz dans, dans notre pays. Docteur Haïdra Haruna, l'OMS recommande une vigilance accrue au sein des chaînes d'approvisionnement des pays potentiellement affectés par ces produits falsifiés. Pensez-vous que cette vigilance doit inclure les hôpitaux, cliniques, pharmacies et tout point de vente Non, mais ça, c'est pas que ça doit être normalement. Ça doit être renforcé. Dans tout le système de santé, dans toute la chaîne, cette vigilance y est. Euh, l'OMS a renforcé notre pays aussi à sa législation à et euh, à sa institution de contrôle. Je crois que le HCV en a largement parlé. Ça y est déjà de renforcer. C'est de trouver des mécanismes comment renforcer cette législation. Si ces textes existent, c'est de les appliquer et de les appliquer rigoureusement. Euh, malheureusement, on constate de plus en plus il y a une certaine défaillance dans l'application ou même dans le contrôle. Maintenant, avec l'actuel ministre, il y a, comme vous l'étiez, de cette Mais moi, je voudrais dire que c'est arrêté, c'est le contrôle. C'est le qu'il y a fait qu'on arrive à, découvrir cela. Mais ces textes existe partout, tant au niveau national qu'au niveau des communautés, au niveau des hôpitaux. Et de les encourager à ce que ça soit respecté, présentement. Docteur Haïdara Rouna, restez en ligne. On va donner à présent la parole à Docteur Abaché, qui est le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Docteur Abaché, pourquoi à présent les pouvoirs euh, publics ont des difficultés à mettre un terme au commerce euh, des médicaments de la rue qui sont un réel euh, danger pour les populations En fait, ce n'est pas parce qu'ils ont des difficultés à appliquer les textes. L'application des textes s'inscrit dans une logique mondiale. Euh, c'est une lutte qui n'est pas seulement spécifique à notre pays, c'est une lutte mondiale où des résolutions et des, décisions sont prises au niveau international, au niveau communautaire. Quand je dis communautaire, au niveau de la région ouest-africaine de la santé, la CDAO, au sein de l'IOMOA, il y a des mesures, des directives qui sont prises. Un pays seul ne peut pas s'engager dans la lutte. Et à ces différents niveaux, il y a eu des résolutions qui sont prises où on a demandé à chaque pays de voir comment est-ce qu'il peut aller dans la logique de l'application de ces résolutions-là en parfaite collaboration avec les voisins. Quand tu vas t'engager seul à faire face à ce, fléau, tu n'y parviendras pas. Donc c'est cette lenteur qui fait qu'on est obligé d'aller dans la logique du mouvement d'ensemble pour faire face au fléau, qui fait qu'on sent comme si l'État ne fait rien, on sent comme si le gouvernement ne fait rien, mais en réalité, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais comme on doit faire euh, cette lutte commune, avoir des textes communs, pour faire face au fléau, effectivement, ça, fait que bon, les gens ont l'impression que l'État ne fait rien dans, ce sens-là. Soumana Sekou Ibrahim, vous êtes euh, le président de l'ONG volontaire de santé contre les médicaments de la rue dénommée Bano Mazada. Nos marchés, on le sait, sont inondés de médicaments faussement étiquetés, falsifiés, mal dosés, etc. Qu'est-ce qui explique euh, le manque de mesures énergiques pour freiner cela D'abord, préalablement, il faut féliciter le ministère de la Santé pour tous les efforts que le ministère est en train de mener pour combattre ce fléau. D'abord, on a vu avec l'épidémie de la méningite qui a eu tout récemment, le ministère de la Santé a fait face à ce fléau avec une campagne de, sensibilisation et de vaccination. Donc, il ne faut pas oublier ça, il faut féliciter le ministère. Où nous sommes une jeune institution et nous sommes un partenaire du ministère. Donc nous sommes prêts pour travailler avec le ministère. Donc d'autant que le ministère a pris des mesures, nous on n'a pas eu un mot à dire. Donc on travaille, le ministère travaille avec tout ce que le ministère a fait, il ne faut pas oublier. Il y a eu des investigations qui ont été prises, qui ont été lancées et aussi le ministère a placé des inspecteurs dans toutes les pharmacies de la capitale donc, je crois que c'est tout est pris en contrôle donc, par le ministère. Donc, nous, sommes un partenaire du ministère. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes là pour travailler avec le ministère. Donc, je crois qu'il faut dire ça préalablement. Mais le fléau, pour, faut freiner ce fléau, ce, manque, médicament de la rue qui, ravage notre pays, je crois que des mesures, il faut, comprendre des mesures. C'est-à-dire, tout récemment, moi, j'ai été à DIFA. J'ai vu des cas qui m'ont vraiment étonné parce que tout autour de l'hôpital central est entouré par des, des qui sont des personnes qui sont autoproclamées docteurs, hein, qui vendent des médicaments comme ça. Et qu'on a une pharmacie populaire qui est là à Difa. Les gens, la population refuse de se donner des médicaments, de, se procurer des médicaments de qualité. Ils veulent avoir des médicaments de la rue facile, qui sont faciles, moins chers. Donc, euh, je crois que il faut d'abord mener une sensibilisation vis-à-vis de la population. D'abord, c'est la population qu'il faut sensibiliser pour les montrer le danger qu'il y a dans ces médicaments-là. Ces médicaments-là sont fabriqués par des individus qui prennent des, appareils. Ils, ont créé un petit labo, ils, ils ils, imitent ces médicaments-là en falsifiant l'original. On voyez donc, il faut, je crois qu'il faut sensibiliser la population encore, dans un premier cas. Dans un deuxième cas, il faut que le ministère prenne des mesures. Nous, sommes un partenaire du ministère, on va travailler avec le ministère. Je crois que pour sanctionner ces gens-là, il y a des gens qui, parce que actuellement, si vous voyez le, euh, marché, le grand marché, c'est un fest de, comment de, médicaments de la rue. On vend que des médicaments. Actuellement, tout ce que vous voyez, tout ce que vous cherchez comme médicament, vous ne trouvez pas ça dans les pharmacies, vous allez trouver ça dans le grand marché. Pourquoi Donc, euh, Souvent, est-ce que c'est pas parce qu'au niveau des pharmacies, les produits coûtent euh, cher euh, que les populations se rabattent sur les médicaments de la rue Je crois qu'il y a ça aussi, je n'en disconnais pas. il y a la charité aussi de, de la vie, mais il y a le manque de sensibilisation. Je crois bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibilisés parce qu'ils pensent que ces médicaments-là et les médicaments de la pharmacie sont les mêmes. Alors qu'il y a une grande différence parce que ces médicaments de la rue sont c'est un danger et que ça tue parce que c'est mal conservé et les conditions dans lesquelles les médicaments, américains ont été fabriqués, on ne les sait pas. Alors c'est un danger, c'est un fléau qu'il faut, il faut freiner. Soumana Sekou Ibrahim, en novembre 2013, déjà à l'issue d'une conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments dite déclaration de Niamey, des engagements ont été pris pour efficacement lutter contre le phénomène de trafic illicite de médicaments contrefaits. Et quatre ans après, quel constat sur le terrain Je crois que ça prend toujours, avec tous les efforts que le ministère est en train de faire, sur le terrain. Je crois qu'il y a des individus qui prennent ça comme un business. Ils se donnent, ça prend toujours de l'ampleur. Je crois que le ministère doit sévir, doit prendre des mesures pour sévir ces gens-là. Parce que le ministère est en train de faire tous ses efforts pour pouvoir freiner ça, pour pouvoir élucider ces, fléaux. Mais il y a des gens, il y a des individus qui veulent prendre ça pour créer un business. Donc, par exemple, si vous prenez le cas du grand marché, ça, c'est vraiment un cas qu'on doit sévir ça ne doit pas continuer parce qu'il y a les pharmacies de la capitale qui sont là et que les médicaments ne coûtent pas parce qu'ils ne, coûtent pas trop cher par rapport à, à ce qu'ils achètent là-bas. Donc je crois que l'État doit prendre des mesures pour ses vies. Il est grand temps que l'État prenne des mesures pour ses vies. Docteur Abaché, est-ce que c'est pas parce que au niveau des pharmacies, les prix des produits sont un peu exorbitants que les populations se rabattent euh, sur euh, les médicaments de la rue je pense que c'est au-delà de la charité des de, produits au niveau des pharmacies. Euh, comme mon, collègue vient de, le dire, il y a euh, plusieurs éléments qui entrent en jeu euh, au niveau des populations. c'est d'abord la méconnaissance, la méconnaissance des effets des médicaments qui, normalement, devraient être acquises à travers la fréquentation de, nos services de santé où la communication devrait être démise et permettre d'amener la population à comprendre l'utilité de l'usage des produits de bonne qualité. Il y a cette méconnaissance, mais il y a aussi le niveau de pouvoir d'achat des populations qu'il ne faut pas euh, négliger, euh, qui fait que les gens, euh, quand ils vont vers les structures de santé, ils regardent leur poche. Souvent, ce n'est pas de leur gré. Ils regardent leur poche, ils ne voient pas les risques auxquels ils sont exposés parce qu'ils ne sont pas conscients des risques auxquels ils sont exposés. Ils vont dire, bon voilà, moi m'ont pas lu, et à côté, il y a quelqu'un qui, vend le médicament contre les palus à 250 francs. Si je vais au centre de santé, je vais payer peut-être 750 ou je vais payer 500 francs. Il fait la balance, il va bon. Avec 250, il a son, traitement. Mais il ne mesure pas les conséquences parce que pour lui, c'est un produit. Il ne sait pas ce qu'il a dans ce produit-là parce que même quand il va au niveau du centre de santé, il, il, arrive que des gens qui viennent au niveau du centre de vente te demander le type d'un traitement. Ils vont dire que moi, je préfère un injectable, je préfère un injectable à la prise en Parce que tout simplement, ils n'ont pas connaissance du danger qu'ils encourent en euh, prenant effectivement ce, genre de Donc, c'est dire qu'il y a un travail encore euh, qui doit être fait en termes de renforcement de la sensibilisation à, l'endroit de la population et la sensibilisation qui ne doit pas seulement se limiter au niveau de, de formation sanitaire, mais qui doit être faite à grande échelle sur euh, vos médias, comme on est, ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on doit amener la population à comprendre le danger. Quand vous mettez les produits au soleil, mais ce produit-là, il est détruit, il n'y a rien dedans. La personne, elle va prendre, elle va s'encombrer seulement de la farine du, produit, et maintenant, la décomposition du produit va faire que ça va affecter sa santé. Donc, c'est vraiment une méconnaissance, et je crois qu'on doit continuer ce travail de sensibilisation à grande échelle, euh, amener les gens à, comprendre les risques et aussi faire un travail de notre côté qu'on est en train de faire d'ailleurs pour euh, amener les gens à utiliser les services de santé pour bénéficier des produits de qualité, mais que nous devons aussi à notre niveau essayer de, renforcer la disponibilité des médicaments de qualité pour que quand il vient au niveau d'un centre de santé, que tu ne ressortes pas avec une audience qui va peut-être te faire peur et qui va t'amener à aller au niveau d'un tablier, chez un tablier, prendre les, produits contrefaits, des produits qui sont dégradés, qui n'ont aucune valeur euh, thérapeutique, mais qui vont euh, effectivement affecter et nuire ta santé. On est en train de faire ce travail-là au niveau de, nos usines de production locale. Il y a un travail important qui est en train d'être fait en termes de restructuration de l'ONPVC, en termes de renforcement de la, de la SONIFAR, c'est pour dire que l'État est en train de faire de gros efforts pour sécuriser la population en mettant des produits accessibles et de bonne qualité au niveau des fronts sanitaires. Docteur Haïdara Haruna, au niveau du Saint-Famet, de votre structure, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour amener les populations à lutter efficacement contre les médicaments de la rue Au niveau de notre structure, le syndicat des pharmaciens, et ce qu'on est en train de faire, c'est la sensibilisation. La sensibilisation d'abord à, deux niveaux. Le premier niveau, c'est la sensibilisation de la population elle-même, qui essaie de consommer ou d'utiliser ces médicaments, de leur indiquer le méfait donc, des, médicaments de la rue, comme on le dit toujours, de ces toxiques, et aussi de les sensibiliser par rapport à, l'accessibilité au niveau des pharmacies. C'est vrai, il y a des produits très chers au niveau de la pharmacie, mais les produits vraiment généralement qui sont utilisés de la population, sont moins cher même dans les pharmacies. Je vous donne un exemple. Une plaquette de pistamol, c'est 50 francs, tout plus plus 50 francs. Même au niveau des médicaments, les, pharmacies par terre, c'est toujours 50 francs sur 50 francs. Vous voyez Donc la population, il faut qu'elle arrive à comprendre cela. Le deuxième niveau de sensibilisation, c'est au niveau de nos collègues même, de nos collègues euh, pharmaciens et aussi de nos collègues médecins. Parce que de toute façon, le métier dans lequel nous sommes inscrits, c'est d'abord d'informer la population. Il faut qu'on leur explique les médicaments qu'on leur donne, l'ordonnance qu'on prescrit là. C'est vraiment, il y a, un lieu qui est autorisé à leur délivrer cela. Et cela va contribuer à améliorer leur santé. Autrement, ça sera autre chose. Donc, au niveau des formations aussi, vous avez vu, c'est notre collègue de pharmacie qui a, découvert le, faux vaccin. Et aussi, on essaie de le sensibiliser par rapport à ça. Et je crois que dans cette sensibilisation, on a toujours eu à dire il y a une centrale qui est là, nationale. L'ONPPC, on l'a toujours dit, tu doit être le, centre, le niveau central de tout ce qu'il y a comme médicaments, comme produits qui rentre au niveau national. Là, on est sûr d'avoir la qualité et d'avoir aussi vraiment d'éviter les, les, contrefaçons. Donc, on disait toujours à nos collègues, voilà une centrale nationale. En tout cas, on doit toujours les amener à se diriger vers cette centrale qui doit normalement centraliser tout pour qu'on évite ce genre de fraude. La dernière fois, on a eu à ça, des sensibilisations, les, ont eu à les faire. Je crois qu'il y a même des notes, des arrêtés qui étaient sortis. Le ministre actuel aussi à rappeler par rapport à l'utilisation des, faux médicaments, les, pharmacies par terre. Imaginez-vous, euh, moi j'étais à Maradi, en sortant de l'hôpital de Maradi, vous allez voir des, des enfants ou bien des jeunes qui sont là, qui, regarde si c'est une ordonnance, vous dit bon voilà, on va vous donner des produits. Moi j'ai fait, j'étais parti, c'était dans une, euh, dans une boutique. Il n'y a rien d'agréé, il n'y a rien de, suite. Et voilà, les médicaments sont là. Et les gens s'en connaissent. Les gens s'en connaissent, hein. Les gens s'en connaissent. On a eu à je crois que même à ce niveau, nous, on est en train de faire la sensibilisation. Et je crois qu'on va, on est dans la logique d'informer le ministère, qui le sait déjà, et de voir dans quelle mesure on pouvait surtout arrêter ce genre de, médicaments par terre. Imaginez-vous même ici à Niamey, vous regardez à côté de certaines pharmacies, il y a des vendeurs ambulants qui sont là. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, la communauté le savent, les autorités le savent. Il faut vraiment trouver des mécanismes. Bien sûr, bien sûr, comme on le dit, il y aura ceux qui seront diminués de leurs emplois, mais quand même la santé sera rassurée, une santé aussi de qualité. La deuxième partie de ce forum s'intéresse aux conséquences et les moyens de lutte contre le trafic et la vente des médicaments contrefaits. Selon les statistiques euh, de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, 6 euh, à 15 du marché mondial de médicaments euh, relève de la contrefaçon. Dans les pays africains, ces chiffres atteignent la barre de 30 à 70 printemps. Docteur Abaché Rana, vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Que faire pour véritablement lutter contre les faux médicaments Que faire On est en train de faire. Maintenant, euh, c'est comment effectivement euh, renforcer nos mesures que nous avons déjà entreprises, que euh, l'OMS a édictées aux États membres de cette institution pour que nous luttions véritablement contre ces fléaux. C'est de respecter les mesures qui ont été déjà prises. On doit effectivement appliquer les, mesures. On a, eu, on a pas mal de textes qui sont en train d'être appliqués, mais qui sont en train d'être euh, comme je dis, harmonisé avec euh, les textes euh, réglementaires de notre organisation commune l'IOMOA et de notre organisation commune la CEDIAO, où effectivement des textes ont été pris pour demander aux pays de se conformer, de se mettre ensemble pour que cette lutte-là se fasse de la même manière et à différentes échelles au niveau des, différents pays de la, de, Donc ça, c'est un élément important que nous sommes en train de développer de renforcer le contrôle, le contrôle euh, au niveau des, frontières en travaillant en étroite collaboration avec euh, les douaniers. Et nous, avons, nous sommes en train de, mettre des, postes euh, qu'on appelle des postes mixtes qui doivent servir aussi bien à la douane qu'à la, santé pour effectivement renforcer ce, contrôle-là. La grosse difficulté, c'est, comme je vous dis, on a déjà identifié les portes d'entrée, les officielles, mais l'essentiel de ces, de, de ces faux médicaments rentre par euh, la fraude. Donc, il court-circuite les voies euh, officielles euh, qui sont connues et l'État a absolument demandé l'application stricte, la réprimande de ces fauteurs pour effectivement arriver à endiguer ce, ce système de vente des médicaments de la rue. Donc vraiment, c'est aller dans le sens de l'application stricte des textes qu'on a pris conformément aux recommandations internationales et conformément aux recommandations et résolutions de la sous-région, notamment de l'UOMOA, euh, qui a édicté un certain nombre de directives et aussi de la CDAO, euh, qui également a édicté un certain nombre de, résolutions pour lesquelles nous sommes tous appelés à nous conformer si on veut que cette lutte-là soit efficace. Comme je vous disais, un seul pays ne peut pas faire face à lui seul, euh, à ses fléaux on est obligé d'abord de développer cette, cette, coopération et collaboration interrégionale et sous-régionale mais aussi de développer la coopération et la collaboration intra-pays euh, au sein des différentes structures de démembrement de l'État, la santé et la, douane, pour que ce travail, notre travail soit de plus en plus resserré afin de pouvoir faire face à ce fléau. Docteur Abaché Aranaou, vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Vous venez là de le rappeler. Euh, c'est au vu de l'ampleur euh, prise par euh, le phénomène que l'Organisation mondiale des douanes dans 23 ports africains, dont celui du Ghana et Lomé, où transitaient les faux médicaments à destination du Niger, a mené une opération concertée qui a permis de saisir, selon l'organisation, 700 millions d'unités de médicaments en seulement 10 jours. Que vous de cette euh, opération, docteur Abachi Ranaou Ça, c'est une opération à saluer. vous voyez, ça, rentre bien, effectivement, euh, dans le cadre de, cette résolution ou de ces résolutions qui sont prises au plus haut niveau, au niveau mondial, euh, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce sont des actions concertées. C'est pour dire que, vous voyez, ce sont des actions qui ne sont pas faites par, par un seul pays, qui ne sont pas faites au niveau d'un seul pays, mais qui sont engagées ensemble pour lutter contre le fléau. C'est cette unité, cette collaboration-là, cette coopération dont on a besoin pour combattre le fléaux. Docteur Haïdara Harouna, des résultats des investigations ont clairement démontré que euh, les réseaux des trafiquants de ces faux médicaments fonctionnent aussi avec euh, la complicité de certaines pharmacies de la place euh, qui leur autorisent à faire des vraies fausses commandes. Que fait le Symphamed pour lutter contre de telles pratiques j'ai eu à, le, rappeler, ce que fait les infirmières, c'est la sensibilisation. La sensibilisation au niveau de collègues, pharmaciens, surtout, qui se procurent euh, ces produits. Il y a ce qu'on appelle l'approvisionnement au niveau central. Ça doit passer obligatoirement par là pour éviter tout désagrément par la suite. Je crois qu'on l'a eu à l'expliquer. Tous ces pharmaciens-là, ou toutes ces pharmacies, doivent faire leur approvisionnement au niveau de l'ONPPC niveau national. Je crois que pourquoi ça Parce que c'est une centrale nationale et on sait qu'il y a des mesures, des mesures législatives, il y a des mesures, vraiment il y a des contrôles qui se font pour assurer non seulement la qualité, mais aussi la disponibilité de ces produits-là pour tous les pharmaciens. Et je crois que les pharmaciens ne font leur livraison qu'à travers cette centrale. Bien sûr, avec euh, la privatisation, il y a des centrales privées qui sont là. Les même les centrales privées, n'est-ce pas, je crois que, disons une certaine, disons l'autorisation du ministère, bien sûr, et effectivement, ils sont sous le contrôle de ces textes du ministère également. Je crois à ce niveau, si vraiment on s'approvisionne, les formations s'approvisionnent dans des centrales agréées par le ministère, je crois qu'on évitera euh, tous ces, ces, Voilà ce qu'on a à dire au niveau des, collègues. Et bien sûr, c'est ce qui se fait. Mais malheureusement, malheureusement, on a toujours dit, malheureusement, comme le sujet l'a dit, il y a toujours des voix qui sont là, qui, des voix euh, qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui, par l'intermédiaire desquelles on arrive à introduire des produits. Et maintenant, si ça arrive au niveau des pharmacies, qui ne sont pas euh, vigilants, ben, j'espère qu'ils le sont tous, vraiment, ça, peut échapper. Et effectivement, quand un produit rentre dans une pharmacie, on suppose qu'il est vraiment agréé, qu'il est vraiment de bonne qualité, et les gens savent se le produit. Donc, nous attirant l'attention des pharmaciens de bien faire toujours le contrôle de leurs produits et aussi là où les approvisionnent, etc. Soumane Sekou Ibrahim, vous êtes euh, le président de l'ONG volontaire de santé contre les médicaments de la rue de dénommée Banomazada. Depuis la création de votre euh, ONG, quelles sont les actions qu'elle a eu à mener dans le cadre de la lutte contre le trafic et la vente des faux médicaments au Niger Nous sommes une jeune structure qui a vu jour, ça fait pas longtemps. Tout récemment, on a envoyé des lettres de partenariat et des lettres de soutien euh, à toutes les structures, euh, y compris le ministère, notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé, de nous accompagner dans une campagne de sensibilisation basée sur la région de Dosso, plus particulièrement le département de Loga, où il y a une concentration, il y a un taux de concentration de faux médicaments. Et malheureusement, on n'a pas pu aller sur le terrain par manque de moyens, mais nous sommes en train de se préparer. On n'a pas renoncé à notre caravane de sensibilisation. En dehors de ça, nous sommes en train de vouloir mettre en place avec, euh, c'est une feuille de route qu'on a, on est en train de vouloir mettre en place dans toutes les régions hein, des, dépôts de produits pharmaceutiques c'est-à-dire pour enfin de subventionner ces médicaments de qualité à nos parents défavorisés qui n'ont pas les moyens pour, de se procurer à des médicaments de qualité je crois que nous sommes là, on a le manque de moyens pour démarrer cette feuille de route, mais nous sommes en train de le préparer, Inch'Allah. Docteur Haïdar Aruna, autre aspect qui revient le plus souvent dans les discussions, c'est le mauvais accueil au niveau des formations sanitaires. Euh, que fait le saint pour un peu améliorer l'image notre à travers des sensibilisation par rapport à l'accueil à tous les niveaux, que ce soit au niveau des pharmacies, que ce soit au niveau des sanitaires. Ça, je crois, on a eu à le, faire. On a eu à faire des, des de sensibilisation euh, en octobre passé par rapport à ça, où on sensibilisait nos collègues par rapport à l'accueil. Parce que, comme on le dit, l'accueil, à 90% pour les personnels soignants, donc à 90%, euh, ça guérit. Pour les personnels qui sont dans les pharmacies, je crois que l'accueil à 90%, ça te donne un bon, un, bon marketing. Donc, c'est l'un des piliers essentiels donc euh, par rapport à tout ce qu'on a à faire pour atteindre notre objectif, c'est donc de la promotion de la santé de la population en général. Docteur Abaché Ranaou, euh, vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Que fait le ministère de la Santé publique pour amener les personnels soignants à mieux accueillir les patients Le ministère il est en train d'entreprendre, ou il a déjà entrepris des actions. Je crois que vous avez suivi récemment même euh, ce que le ministre de la Santé euh, a entrepris en termes de visites inopinées dans les formations sanitaires pour effectivement aller constater de visu comment les agents se comportent, demander aux utilisateurs des services quelles sont leurs appréhensions. Et sur les champs, effectivement, il y a même des décisions répressives qui ont été prises pour des, cas de flagrants délits qui ont été pris. Donc, euh, c'est pour dire que le ministre de la Santé est engagé dans un mouvement ou dans une logique de redressement du système ce n'est pas seulement la réprimande, mais c'est aussi l'accompagnement et l'encadrement des agents de santé à travers des formations qu'on doit leur donner. Parce qu'un agent qui ne sait pas bien communiquer aussi, c'est normal qu'il accueille mal. Donc on doit leur donner la, bonne formation en communication de masse, en communication interpersonnelle, pour savoir communiquer, savoir dialoguer avec un patient, et aussi les accompagner. Les accompagner, c'est à travers les supervisions. Si euh, les agents sont laissés à eux-mêmes, il va de soi effectivement que petit à petit l'anarchie s'installe, que chacun se sente comme s'il est, libre de faire ce qu'il veut. Mais quand ils sentent la présence des, responsables à côté d'eux pour les accompagner, ça fait changer de comportement et ça amène les gens à mieux se comporter pour euh, mieux accueillir les, les patients. Donc vraiment, il y a ces mesures aussi de répression, mais aussi d'accompagnement et de renforcement du système. Docteur Ranao Abaché, euh, rapidement, euh, quelles sont vos propositions pour lutter véritablement contre les faux médicaments C'est l'application rigoureuse des textes. Et nous sommes aujourd'hui là-dessus très regardants. Toute importation ne peut se faire que si le ministère délivre des autorisations. Il y a des autorisations de mise euh, sur le marché et aussi il y a des autorisations d'importation. Donc tout produit qui doit rentrer au Niger doit effectivement respecter ces produits, ce procédé et ces mesures. Et aujourd'hui, le ministère il est strict par rapport à cela. Et c'est pourquoi, dès qu'il y a une livraison qui est faite, les structures de l'État sont mises en alerte pour effectivement veiller à ce que les produits, qu'on s'assure que les produits sont rentrés légalement. Et dès qu'on livre, nous livrons ces, autorisations de mise sur le marché, ces autorisations d'importation, nous les mettons à la disposition de la douane pour que la douane, effectivement ait la copie originale que voilà pour telle, telle, telle, telle molécule, voilà l'autorisation qui a été donné. S'il y a une autre molécule qui circule, qui n'a pas ce type de, document, on doit vite les saisir. Donc ce sont ces actions-là que nous sommes en train de faire avec, euh, avec la, douane. Et je crois que ça commence à porter fruit. Et nous sommes en train également de renforcer et de donner tous les pouvoirs aux services d'inspection pour aller sur le terrain, réprimander au mieux pour que euh, ce, genre de pratique... Euh, euh, puisse euh, s'amoindrir. Docteur euh, Haïdra Haruna, est-ce que vous avez des propositions à apporter dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments Je l'ai déjà dit. pour compléter, c'est vraiment de renforcer tout ce qui a comme mécanisme d'entrée et aussi d'autorisation par rapport aux médicaments et aussi aux produits, aux matériel biomédicaux. biomédical. Cette action-là, c'est de le renforcer, de le renforcer de manière continue. C'est pas un moment, on arrête et puis bon, ça va. C'est de, renforcer de manière euh, continue et à tous les niveaux. Depuis l'entrée, depuis du moins le, le, niveau international, le niveau national, l'entrée, aussi la disposition, la mise à disposition au niveau des pharmacies et également au niveau des, des, pharmacies elles-mêmes. Et je crois par rapport à ça, la seule manière de, faire face à ces médicaments, c'est uniquement ça, uniquement ce contrat. Mais le deuxième aspect par rapport surtout au vaccin, ce qui amène cela, c'est effectivement quand il y a l'épidémie et que les gens, la population euh, ne savent pas où aller. Il a un retard dans les vaccins. C'est un processus. Mais le ministère doit informer, sensibiliser, comme ce qu'a eu à faire le, ministre actuel, dès l'apparition des épidémies, vraiment des sensibilisations de sensibilisation ont été Et les gens étaient vraiment euh, à l'aise, ça va, il n'y a pas eu trop de tollé par rapport à ça. Donc c'est la sensibilisation en cas d'épidémie pour éviter que tout ce qui a comme euh, mauvaise intention puisse pénétrer et avoir des, faux médicaments, des faux, vaccins. Soumane Sekou rapidement, vos propositions pour véritablement lutter contre euh, les faux médicaments Je crois que l'État va prendre des mesures pour faire euh, l'entrée de ces faux médicaments-là, pour, contrôler, pour pouvoir contrôler l'entrée de ces faux médicaments. Et dans un second temps, continuer la sensibilisation que ce soit dans la capitale et à l'intérieur du pays, et en plus euh, de renforcer les districts sanitaires, c'est-à-dire que à des médicaments de qualité pour pouvoir ou même subventionner ces médicaments-là à, nos parents défavorisés qui n'ont pas les moyens pour se procurer des médicaments de qualité et pour pouvoir les, et les sensibiliser du danger qui est dans ce, à, à médicament. Il fait la différence. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Dr Abachera qui est le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Nous étions également avec euh, Docteur Haidara Haruna qui était en ligne. Il représente euh, le Ben saint Et nous étions avec euh, Soumana Sekou Ibrahim qui est le président de l'ONG volontaire de la santé contre les médicaments de la rue dénommée Banu Mazada. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même avec une autre thématique. Merci, au revoir.